avec Info Dakar. Les Sénégalais maintiennent leurs droits intacts. Les institutions fonctionnent. Jusqu'à présent, il y a un président du Conseil constitutionnel. Il y a des membres du Conseil constitutionnel. Il y a la Cour suprême. Il y a le gouvernement qui devait aujourd'hui tenir un conseil des ministres. Il y a l'Assemblée nationale qui vote, qui adopte des lois, qui délibère. Il y a la justice qui rend des jugements. Où est le coup d'État institutionnel Où est la crise institutionnelle Il n'y a pas de crise au Sénégal. Il y a seulement une mauvaise organisation de l'élection présidentielle. Il y a des couacs. Il y a de gros problèmes, de grosses difficultés. Par conséquent, on doit corriger seulement. Il faut apporter les correctifs nécessaires. C'est tout. Où est le coup d'État institutionnel ou constitutionnel. C'est de gros mots, des mots trop forts. Mais on est habitué maintenant à la propagande de déstabilisation et de liquidation de l'adversaire. Ils sont très forts pour dénigrer, diaboliser, comme ils ont fait avec Massali. Ils ont voulu diaboliser Massali, Akès, Mamoud Lamine Massali n'a fait que se défendre. te ku ñëw këram dana jël pistolet fait la ko dóor moo tax mu dàqaleen bi ñëw ba ko rey bu ko taa Massali les a chassés et chasser. Il ne faut pas qu'ils viennent mentir hein, pour diaboliser les gens. Il faut arrêter ça. Sénégalaises et Sénégalais, soyez vigilants et intelligents face aux grands, aux grands partisans du mensonge et de la manipulation. Pour la deuxième question, le report de la date, c'est normal j'ai parlé de dérogation même Yalla a def dérogation waaw yàlla dafa aye nga def Tu nga des bàkkaar il Tu balu mu baal des mu Tu bàkkaar te bëggul bàkkaar mais boo baloo mu donc changement day am ci y y a des robot sëñ Tuubaa nee na man a la ñeewul ki ki dëkk ci bax kim ñee moy ki jóge ci bon bax loolu moy mujj gu rafet xam nga changement am na foofu kon pourquoi dañu war a nekk nii rek figé tout change sauf la loi du changement je vous renvoie Karl Marx à Engels les théoriciens de la dialectique C'est la théorie des contraires. La thèse, l'antithèse et la synthèse. Vous voulez m'entendre à la philosophie J'ai toujours été premier en philosophie. Dans tous les lycées Kassambéger de Kaolak. Machallah. Mais, a y a pas parce que euh, vous ne a pas Pour vous parler de haïk, de guerre, de parler de Kigrat, parler de Hobbes, parler de Kant, la morale kantienne, de Charles Peggy. duga yéen ci egel, ah, après la morale kantienne Hegel lim lay wax moy lam wax la mars dindi de dañ ko wara a ëlbati dox mu dox par par ay tank parce que bop lay doxé ba bëggé dem ci Platon le banquet dem Socrate sëriñam jàng dafa neex ngay jàng leen boo jàngee kenn du la jaay doole kenn du la nax ku jàngul yàgg dafa yéene yem wala da neex a nax neex a manipuler Sénégal nag li ñu xam ne ñu bëri jànguñu ñuy dox ci maayenu nit ñi di lekk seen xel naan seen yuur gi. Avec Info Dakar. Avec Sénégal ak fu mënti ne ci àdduna